Ici la kol baba aisi koy lakol la nanga doru ilimi fitilan dunia ilimi fitilan dunia Karamiseni. Bonsoir et bienvenue sur Tous Salafada, votre émission hebdomadaire assurément jeune du studio Kalango. Nous sommes relayés partout au Niger grâce à nos radios partenaires, mais aussi sur les réseaux sociaux via la page Facebook du studio Kalango. Nous continuons sur notre lancée de la première partie de l'émission en vous parlant toujours du baccalauréat. Comme vous le savez, les résultats du bac 2021 sont connus et les heureux admis. Rabbi ma binôme de tous les jours, sur le premier angle donc euh, de l'émission Tous à la Fada, autour duquel vous l'avez certainement écouté, elle a évoqué avec les nouveaux bacheliers leurs attentes et leurs opportunités. S'ils sont donc à pied d'œuvre pour s'assurer une bonne suite quant à leur étude supérieure, il convient de noter qu'à ce stade, les jeunes bacheliers sont confrontés à un problème de choix ou d'orientation pour la suite de leur carrière académique. C'est pas Idrissa Abdoulaye qui va me contredire. Tu es d'accord avec moi Normalement, oui. Normalement, oui. Et anormalement, non. <laughs> Super. Face à cette situation, nous touchons les principaux concernés, mais aussi vous, chers auditeurs, à travers la thématique du jour sur le deuxième angle de tout ça, Salafada. Difficulté du choix et perspective dans l'orientation des nouveaux bacheliers. Pour cette raison, vous savez déjà aussi qu'une application a été conçue par un jeune ingénieur, Karatu Postbac. Et partant de tout ça, tu as pensé à une application application pour accompagner les nouveaux futurs bacheliers et tout ce qui va avec. C'est ça sur la base de mon expérience parce que j'ai été à leur place. Mais tout à l'heure, tu l'avais pas dit haut et fort. Si, un peu quand même. Un peu quand même, super. <laughs> tout ça, la fada, c'est 35 minutes d'échange, de musique, de chroniques au cours, desquelles vous pouvez intervenir sur le forum en nous envoyant vos vocaux au 80 06 48 54. Si vous voulez recevoir nos contenus, abonnez-vous à notre fil WhatsApp en avant, jeune toujours au 80 06 88 54. Monsieur Olivier comment tu vas bah, Sur le premier angle, tu avais parlé de l'échec. Bien évidemment. L'échec n'est pas une défense, c'est C'est sûr. On tombe, on se relève. Et on continue. Et on continue. on va continuer. C'est ça, lâche hein. Jamais. Comme un enfant qui apprend à Jamais, jamais. Alors de quoi parlera eh ben, On va terminer ce qu'on a commencé hier. On va toujours, parler de l'échec. Ouais, on va toujours parler de l'échec, mais cette fois-ci, on va partager deux à trois réflexions avec nos auditeurs et éditrices qui nous écoutent pour que la remontada soit bien assurée l'année prochaine. L'échec n'est pas une défense, c'est une elle Et les gagnants, c'est pas ceux qui ne sont jamais tombés. Il faut savoir se relever après la chute. En tombant, on se relève jusqu'à destination. Ainsi va la vie. Merci, Mr. Olivier. Si vous êtes chaud, décourage imminent. Localisation géographique. Nous sommes actuellement où Idriss Abdullawali, concepteur de l'application. SIPMEN est situé exactement où Idriss Au quartier francophonie. Tout simplement, SIPMEN. D'accord. Pour parler, bien évidemment, de post-bac comme on l'appelle. Nous sommes aussi avec monsieur Boulkassoum, ça va bien Ça va très bien, je vais bien. Nouveau bachelier. Oui, nouveau bachelier. Super, ça va Félicitations et bravo. Je vous demande de lui faire un maximum de bruit quand même. <laughs> Ouais, c'est ça. Madame ou mademoiselle, ça n'a aucune importance, on parle du bac. Il n'y a pas de souci, mademoiselle. Vous allez vous présenter Oui, je m'appelle Rafia Jibo. Rafia, ça va Oui, ça va. Bah, toute joyeuse. En tout cas, bravo, je lui demande de lui faire un maximum de bruit. Nous sommes aussi avec un étudiant qui a l'expérience, qui a eu aussi son bac. C'est le président de l'association des Nigériens euh, du Maroc. Aminou, ça va Oui, ça va. Tu pètes la forme Bien, bien. la forme, où c'est la forme qui te pète les deux. Les deux, super. <laughs> Et messieurs, ça va bien, vous êtes en forme. Vous allez vous présenter, s'il vous plaît. Je me nomme euh, Bill Cataria Benito, étudiant en sciences de gestion. Étudiant en sciences de gestion. Le mec, il a déjà son bac. <laughs> ouais, c'est ça. Difficulté du choix et perspective dans l'orientation des nouveaux bacheliers. C'est notre sujet du jour. Et les premières questions sont pour vous. Idriss Aboulaouli, Oui. Concepteur de l'application Karatou Postbac. C'est ça. De nombreux bacheliers hésitent sur les formations. Après bac, vous avez une fois été confronté à ce problème Expliquez-nous un tout petit peu votre aventure. Alors, moi j'ai eu le bac il y a une dizaine d'années. Ça fait dix ans donc. Ouais, a une dizaine d'années euh, et du coup euh, tout comme euh, les jeunes aujourd'hui qui le vivent aussi. À notre époque, nous, on n'avait pas été accompagnés. Euh, le bac, on le subissait, on va dire, jusqu'à l'obtention du bac, et ensuite, on commençait, euh, après le bac, à chercher ce qu'on voulait faire. Tout à fait. Et moi, ce qui se passait à, cette époque, moi, j'étais un peu trop curieux. Je démontais déjà les ordinateurs, je, je jouais avec. Pourtant, après mon bac, j'ai pas eu la conscience normale d'aller vers l'informatique tout de suite. Je voulais d'abord m'orienter vers la comptabilité comme mon père. Après, quand je les ai étudiés dans mon parcours, je pense que j'aurais échoué. Et heureusement que moi, j'ai eu la chance. Du coup, très tôt, mon père avait vu que j'étais un peu passionné par l'informatique et m'a orienté vers, euh, m'a accompagné en tout cas à aller vers ça. Et je dirais que j'ai eu la chance parce qu'il y a beaucoup d'autres de mes camarades qui n'avaient pas cette chance, qui ont suivi leurs études. Et du coup, où ça a été beaucoup plus compliqué. Donc aujourd'hui, moi, ce que j'ai fait, c'est apporter ma pierre à l'édifice sur la base de ce que j'ai appris. J'ai voulu le retransmettre dans une application mobile, donc où j'ai combiné deux passions qui étaient euh, l'informatique que j'avais déjà à l'Odyssée et euh, une autre passion qui était l'éducation parce que j'ai eu la chance de rencontrer des associations qui œuvraient dans ce domaine-là qui est l'éducation, qui accompagnait beaucoup de jeunes. Au début, je ne comprenais pas pourquoi ils le faisaient gratuitement, mais après, du coup, ils m'ont appris aussi et ça m'a aidé. Et moi, j'ai voulu aussi réaider mes frères et sœurs qui sont au Niger, parce que moi, j'étais un peu ailleurs. Donc, post-bac. Exactement. Le trop parler. Ah, c'est vrai que tu as galéré, c'est ça qui t'a poussé. Ah tu parles beaucoup, ah, j'ai compris. Rafia, Bako, mm. Irbekan, nous doit. Oh post bako ago cause ces difficultés est-ce que pour l'orientation euh, nugu bay déjà en kan daga bawol halkation ne se en kanon gaba woni sender gu ceci kan da kemishi to ai zam asem boda no ai kanon go to ne di wala Idrissa euh. ne di on avait catégorisé non on a dit qu'il y a trois types de bacheliers le premier lot, c'est quoi Ceux qui ont déjà préparé depuis la seconde, ils savent déjà ce qu'ils font. Exactement. Le deuxième lot, c'est ceux qui préparent à la veille de l'examen. C'est ça. Au courant. Et le troisième lot, c'est ceux qui ne savent même pas ce qu'ils vont faire. Exactement. L'affaire fait partie de cela. C'est le troisième. Le troisième, c'est ça l'affaire. Tu as gagné aiki mais ça, aigo que hésiter. Oh. Nous go hésiter. Il faut sinon go hésiter. Il faut que hanu mana sol ah, zabanda. Il faut sinon mana sol zabanda. Ah, aina sol sol aino aigo il hésiter que aino aigo ne aim bagmai.

Ok, d'accord. Il n'y a pas de souci. On va permettre à mon ami aussi de placer moi. Et nous, on dit, nous m'a dit, on va faire un gongo hésité. toi, tu sais déjà ce que tu vas faire. Ah, en effet, en effet. Moi, au début, comme j'avais fait le bac D, ça avait déjà depuis la seconde, il veut aller en médecine, c'est ça Depuis la seconde première, on disait la médecine comme vous venez de le dire. <laughs> ouais, mais, à un moment, <laughs> mhm. je me suis confronté avec mes notes de la terminale. Et donc j'ai vu euh, les notes de SVT, de mathématiques, de physique, chimie, mm. et aussi pour le bac aussi. Donc finalement, j'ai vu que ce n'était pas ça vraiment mes notes de SVT. Mm-hmm. Donc c'est pour ça que je suis allé télécharger l'application Postbac. Post c'est une application qui aide beaucoup les camarades étudiants. Exactement, exactement. Maintenant, j'ai cherché euh, des informations sur l'informatique, sur toutes les, filières. Mm-hmm. Et maintenant, j'ai vu vraiment que l'informatique, ça me convenait bien. Ça me convenait très bien. Et donc déjà, même avant, j'avais vraiment de la passion pour l'informatique. Ça revient comme ça. Bref, s'orienter, se rechercher euh, les quatre points cardinaux dans la vie normale, comme on le dit. Et s'orienter, si tu veux, après le bac, c'est rechercher KPB. Karatou Bac. Mon ami, Abdelawali, président de l'association des Nigériens du Maroc. Oui. Je vais te poser une question. Je veux que tu sois sincère. Ok.

bidouillage ra ay di ay kekiga ga monter ay mka informatique programmation za 6e bor ay go système installé donc za no za zank tare bay déjà kan nag ba za zank tare ge bay kay bay mti abora mo voilà karchap karchap <laughs> ah, mais généralement dit ka vraiment en tant qu'association irgo gidi étudier ngai kango tono di vraiment ici gishwa hanete digi di borom te giri hinka bandana ngane way a a hay kaza matiya dinno da barmai yarin gane giri banza banza ah, donc ce qui veut dire que l'étudiant peut être brillant au collège au lycée mais choix hein, bako bande choix angina choix, madan kakara wallahi hmm. bako choix et puis orientation au tigité hmm. hmm. di boray go déposer bourse en maroc nigi hein, di filero kay konde ni moto vous ne bourse, non, ko tare am ni no matakan sine num ka ko tere no ko te hay kul kan yiki ah donc nebo agengete oh ok ay faham ni se ay ah, ko ba se me boro sano kati c'est un président il a géré des cas académiques et sociaux là mon ami je reviens à toi tu n'as pas été influencé par tes parents dans le choix de ta carrière euh, études supérieures Bon, je dirais pas que j'ai été influencé, je dirais que j'ai été... Qu'est-ce que tu vas dire sur l'émission Orienté, Tu dirais pas, mais ouais. Parce qu'à la base, avant le bac, je voulais, j'avais trois choix. Ok. Je voulais faire génie euh, informatique, cybersécurité, mhm. ou encore euh, sciences de gestion ou génie nucléaire. D'accord. Après le bac, la première option c'était génie informatique. Ok. Mais bon, vu l'environnement dans lequel nous évoluons, mhm. mon père m'a un peu expliqué que je risque de ne pas avoir, euh, voilà. Le mec, il a été influencé. Non, je n'ai pas été influencé. Ok. Il t'a dû s'expliquer, t'as dit de faire la C'est sur la base d'une étude et j'ai été rencontrer certains ah. informaticiens ah, qui m'ont ah, pratiquement, ils m'ont pas dit de ne pas faire, mais moi, un peu expliqué ce qui se passe en gros. Donc, du coup pour euh, faire un autre choix. Mais tu as fait, tu un bon choix, tu t'en sors après deux ans déjà. Oui, je m'en sors parce que même ah. en sciences de gestion, j'arrive à jumeler informatique et, gestion aussi. Donc du coup, Ça je dirais que je fais l'informatique, mais de notre manière en fait. Ah oui, parce qu'on insiste sur la question, parce que euh, quand tu n'as pas une bonne orientation, mais la fin peut être au fait d'une manière catastrophique. Et nous, c'est ce que nous évitons. On va cette fois-ci permettre à un artiste de s'exprimer. Le plan de divertissement, nous sommes jeunes et notre sous-inspiration, c'est la musique. Un artiste s'exprime tout sur l'artiste de la semaine, c'est tout de suite et maintenant sur l'émission. Hey. Eh, ornement alaji wala wawa ya yi Là, alaji inshallah layi kasu kalsu ruzan ga mate layi ar wanda a hai gudu tawai zinka ne wallahi tawai fano mangoro ma gwamnati souji. suji har yin si hau albura bani imne ni fasi nimne maka ni yaki eh ayo doga dai sai ayo feji follow nai programme feji fonoru na sai se. yin si hau a <laughs> nigérien mes chers compatriotes pour la prospérité de la culture le studio Kalangu présente l'artiste s'exprime vous vous rappelez certainement de Trip Mamachi. Ils étaient hier sur l'émission Franco Aoussa. Vous avez eu un certain nombre d'informations en ce qui concerne cette formation. Mesdames et messieurs, aujourd'hui sur cette émission, nous allons renouer toutes les conditions qu'il faut pour parler des vidéos qui sont déjà disponibles sur leur page. Le contenu en question de cette formation. Les gars, je vous souhaite une fois de plus la bienvenue sur cette émission. Ça va, tout se passe bien Oui, ça va. On va aller directement au but parce que on a déjà, euh, n'est-ce pas, un certain nombre d'informations sur vous. On sait euh, qui vous êtes. Alors aujourd'hui, nous allons parler un peu de vos contenus, nous allons parler un peu des vidéos qui sont déjà disponibles. Vous avez commencé par quoi et c'était en quelle année 72 fait combien de mois

Oh, combien de mots on a été 72. <laughs> Mm. Donc 60 euh, mots 12 mm. mm. mots incantants. Mm. Ah, c'est avec ça que tu as commencé oui. Ok, super. En dehors de son 12, fait combien de mots Il faut demander qu'on a été peine. Arjan Nakila. Hein Arjan Nakila. Arjan Nakila. Il faut mm. que tu Arjan Nakila. Par exemple, pour nous donner un coup de quoi. Oh. ayyuka yana sama boy kurnyo do ay ajinna kilambo si kalchachiri son kurnyo to kan bidi ma kilaza kwa ma janna kilaza ah amma famar sannu oh. bai wazai dodin koyi igine wa hagoi da yaran kurnye yaran kurnye yaran aljanna kila si kala yaran kurnye don kun gwan kurnyo karbi kurnyo to kafun goy hupa na rama an ce ka ce oh. amika ga oh, wangu fura aljanna dai no ya ne kilaza kwa <laughs> ne manga kila ah wa c'est un peu ça ok maintenant dirne la sabote dirne la sabo sambu aran o traitement match vidéo margino wa c'est disponible bon environ 30 vidéos ouais. 30 vidéos oui no go aran c'est oui to yorum dudu a fofo on ket kam kenyan te fait vidéo e kenyan cartonné et mi ka tel kande gudal boray maikani kande mi jetta la to ma me maikani o kan cartonné de gabi de gabi de yeti kalo kalo mm. oh. jar irgo ka kauno ko borom ning te boro fe borom ning te ko ro fe le ja mm. ir kuli girbe group fo lon kara min mm. dir ne irum za popora ko windi okay afa kan go gina trishan kalo da afa ni go im ning se kalo afa ni im ning se tipo ara go kalo oh. <laughs> okay o kan o kan a triche kaina an kalo da ni bai din da kalgo ni popora ga non kul ko ni ko kalo kalo kalo oh. bandu mo daga mili go ga fono me visa visa go canada ne se va matana mm. <laughs> ok ngide no cartone go ma ngide no cartone tor ma wona o kulu son est ce que aran gonde cheyan pour que bora et en aran se aram doguton parce que aran vous êtes jeune mm. vous avez de l'avenir parce que aran sentin de hinay quoi

et puis go bore fo ko ni kengo girre marke kwa yan yi ce bir sai video ra ya kine te mm. error ya kine irga han so din nuna irgo fam gite ko ne irgo bore fo et puis on a besoin de sponsor là on est montarino super Thierry Pamati mesdames et messieurs sur l'émission tout ça la fada mais c'est ça pour vous dire que cette émission est consacrée aux jeunes aussi il n'y a même pas de souci. Nous sommes ensemble, c'est comme ça que ça se passe. Ils représentent le village de Goudel sur cette émission. Alors, on va finir avec toi, mm. parlons des pages, mm. que ça soit YouTube, Facebook, Twitter, mm. de la formation Trip. Et on va finir avec un message, un message qui vient du fond de toi, c'est important. Tu as la parole. L'instant est solennel. Trip Mamati s'exprime. Pour commencer, il ne s'agit pas de nous seulement. Euh, genre, Niger, comédien, il hein, et ils ont du talent. Voilà, ils ont du talent. Juste, Gako Daini Sigdu, quoi. Dit c'est Gako faut nous, on sera loin. On va sortir le Niger. Voilà. Le nom du Niger, là, sera au top, Inch'Allah. On croit en nous. Ainsi, par la formation Trip Mamachi sur l'émission Tous à la Fada. Merci, Moustaphe, pour l'organisation. Nous sommes ensemble. Big up aussi. Bien évidemment, à Nisaka qui est aussi à la centralisation de cette émission. Restez en compagnie du programme du studio Kalangu, tout à la fada. La continuité, c'est dans un instant. Ni Ni <laughs> À l'instant test, l'artiste s'exprime. Vous êtes toujours sur l'émission Tous à la Fada, l'émission consacré à la jeunesse nigérienne. Nous sommes aussi, mais nous parlons des difficultés du choix et perspectives dans l'orientation des nouveaux bacheliers. Idrissa, explique-nous qu'est-ce que les étudiants ou les élèves rencontrent, euh, surtout sur euh, l'orientation. En effet, en fait, les difficultés, il y en a beaucoup, beaucoup. Déjà, on en a pas mal parlé déjà dans cette émission. Mhm. Mais euh, l'une des premières difficultés des jeunes, c'est s'orienter tôt euh, l'autre difficulté, euh, c'est euh, après hésiter. C'est hésiter entre plusieurs. C'est ça exactement. Hésiter entre plusieurs domaines et ne pas savoir finalement comment est-ce qu'il faut éliminer. Mais pour Raphaël, il n'est pas encore tard. C'est pas tard. Ok, super. effet. On n'a pas encore commencé, on n'a pas encore débuté. Exactement. maintenant, l'autre difficulté aussi, c'est le complexe d'étudier à l'international ou d'étudier sur place. Hmm. Il y a des gens, coûte que coûte, il faut sortir. Il faut sortir. <laughs> Hein? il faut prendre l'avion comme ça, on va dire, moi j'ai pris l'avion, je suis Au Maroc. Euh, Exactement. Ou des fois, on peut se cogner directement au mur. On peut dire que c'est pas une difficulté, mais hmm. finalement, c'est une difficulté hmm. parce que euh, on n'est pas en phase avec ce qu'on a envie de faire. Des fois, on n'a pas les moyens de son ambition. Et l'autre difficulté qu'on rencontre aujourd'hui, euh, c'est que tout le monde veut avoir une bourse d'études. On peut aussi dire que c'est pas une difficulté, mais en soi, c'est ça parce que les gens qui veulent avoir des bourses d'études veulent l'avoir pour le Canada, veulent l'avoir pour les États-Unis, mais jamais pour Abdoumouni. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne ces jeunes-là déjà déterminés sur ces problématiques-là que j'ai citées. Donc on les aide en fait à pouvoir voir clair, trouver des alternatives qui vont avec ceux qu'ils ont comme ambition, mais surtout qui semblent les plus facile à exécuter. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a une autre contrainte qui est le temps. Donc voilà un peu euh, ce que je peux dire comme difficulté et comment nous on vient en aide. On va chercher des solutions dans un instant sur cette émission Mr. Postback euh, Rafia. Aujourd'hui, la jeunesse, il faut le dire, est pressée de palper, c'est-à-dire de disposer de l'argent bata. Sinon, qu'est-ce qui vous motive alors réellement C'est quoi qui te motive Il faut patienter et puis avoir son diplôme. Hmm. Peut-être ça peut nous aider. Il faut pas trop se précipiter pour dire qu'on va s'arrêter à la licence ou bien. Il faut viser loin pour avoir le diplôme vraiment. Quand tu as ta licence et qu'on lance le concours de la police nationale, <laughs> les officiers de police, tu ne vas pas laisser les Sud aller euh, essayer de voir si tu vas conquérir Non, quand on a quelque chose dans la tête, il faut le réaliser. Ah, <laughs> ok, donc il faut aller jusqu'au bout. Oui, il faut Mon ami en jaune, est-ce que tu es d'accord et d'avis avec elle Ok, par rapport à la motivation, ce qui nous motive vraiment à continuer, c'est lorsque on, sait vraiment la finalité hmm. de nos études. Par exemple, ceux qui vont faire la médecine ou bien le droit ou bien hmm. je ne sais pas quoi. Bien sûr. Il faut si, si tu n'as pas, la si tu pas la motivation, c'est-à-dire hmm. que tu es là, juste, tu es parti juste parce que c'est... Pour chercher de l'oseille. Voilà. et là, c'est dangereux. C'est très dangereux. Oui, quand tu fais la médecine juste pour <laughs> l'argent, tu peux d'un moment ou d'un autre. Exactement, à un moment, tu vas arrêter. Oui, bien sûr. Tu vas dire, ouf, plus. Je vais aller faire autre chose. Exactement. Et là, du coup, on est perdu. Voilà, on ne peut plus continuer. Mon ami, vous voulez intervenir par rapport à ce qu'on vient de dire, vous allez vous présenter parce que c'est ça la FADA aussi. Je me présente, je m'appelle Salam Habib Moussa. Monsieur Salam, ça va bien Je vais très bien. Donc euh, nous vous écoutons. Par rapport à tout ce qu'on vient de dire, vous avez quelque chose à ajouter sur l'émission Et pour ma part, je pense que lorsqu'on choisit un métier, il faut d'abord avoir un impact sur la société. Mhm. Parce qu'on voit aujourd'hui, le Niger souffre de beaucoup de problèmes. Mhm. On a besoin des gens qui peuvent œuvrer pour développer le pays. Et très souvent, on voit certains jeunes font des erreurs. Mhm. Par exemple, ils choisissent des métiers, mais par la suite, ils vont le regretter. Mhm. Ils sont frustrés dans leur travail quotidien. Et quand on est frustré, on ne fait pas le travail très bien. Quand tu n'aimes pas une chose, même si c'est une femme, si tu l'épouses, tu as du mal à la supporter. À plus forte raison, un métier. Ah, je suis de cœur avec toi, mon frère. Je vous demande de lui faire un maximum de bruit. Je continue sur ce que j'ai commencé. Mon ami Choco qui est là en face. Ça va bien tu as déjà ton bac toi aussi Dis-moi toi, qu'est-ce que tu as rencontré Comme tout le monde, après le bac, c'est le même problème. le problème l'orientation casse-tête. Comme Idriss a dit, nous n'avons pas réfléchi avant. Nous avons réfléchi après le bac. Parce qu'on se dit que il faut qu'on ait le bac. Ouais, euh, coûte que coûte. Voilà. Tout ce qu'on veut, c'est le bac. L'objectif, c'est le bac. après le bac. Après, le, post-bac a toujours été euh, une casse-tête, euh, des problèmes pour les, élèves. Ouais, ouais, ouais, ouais, c'est ça. <laughs> <laughs> On va prendre une petite pause. La musique s'impose et la musique a sa place ici sur cette émission. Nous sommes jeunes et notre célébration, c'est la musique. Qui va me proposer une chanson parmi vous N'importe laquelle. Oh, vas-y, mon ami. Meta Simouya. Meta, c'est un artiste nigérien. Ah, ah, c'est lui que tu nous proposes sur l'émission. Exactement. On kiffe Meta, mesdames et messieurs, proposé par mon ami scientifique et tout de suite, la suite. consacré à la jeunesse nigérienne. Tous à la parole, nous sommes au SIPMEN. SIPMEN, c'est un lieu qui nous accueille pour parler, bien évidemment, du thème du jour. Difficulté du choix et perspectives dans l'orientation des nouveaux bacheliers avec nos invités. Aminou. Les études supérieures et autres formations professionnelles coûtent cher de nos jours. Est-ce que cela est aussi facteur d'hésitation pour vous, Ergo Anganese To, Mm-hmm. un frein. Parce que ni gidi étudiant yang ba im ko ko te haifo yan mm-hmm. par exemple pour ba mu te médecine amun du bourse kan ko tare mm-hmm. to ya ga kal privé privé mon médecine ayo extérieur aga charugumu mm. donc dindi noro nigdi paranga nigdi ninya din baba nigdi bakare mm. nigini ya dinga ne wahima kago ne expose yise parce que wini se norbobo mm. est ce que ni pression dit donc de kuno da agin shwa da ni se kyarra agin shwa da ni se kyarra ah. donc dinka filere shwa do nigidi no filer kan nisu wi ibobo me nigu ko tere ingino nigu kiki hmm. la plupart des cas ya no bon ya ringa vraiment frais de tu de dini e hima gila sabu hmm. surtout bore kan go funu pays kan vraiment irgo girbon no niger kina hima gila sabir se vraiment wallahi ma eh ko cho sanne ka ci a wannan manfa ko ba se ko ba se Donc, combien on Olivier Mr. Olivier, c'est le présentateur de la chronique de l'émission Tous à la Fada. Cette chronique parle du buzz, du bouse et tout ce qui va avec l'actualité. Eh, Olivier, de quoi parle le texte, mon frère, aujourd'hui Pour rappel, on va terminer. Terminons ce que nous avons commencé. En fait. Alors, amis auditeurs et auditrices, bonsoir. Bonsoir. Il ne faut pas avoir peur de l'échec, car c'est de nos échecs que nous apprenons ce qu'il ne faut pas faire. Nos échecs réduisent les possibilités d'un succès. Plus j'ai d'échecs à partir d'actions différentes, plus la probabilité augmente que la prochaine action sera la bonne pour réussir. Ainsi par là, Thomas Edison, le célèbre fabricant de l'ampoule électrique. Amis auditeurs et auditrices, bonsoir et bienvenue dans la chronique de ce soir. Eh bien, comme convenu hier, ce soir, nous allons parler de comment se relever d'un échec. Sur Internet ou bien sur YouTube, plusieurs vidéos vous parlent de comment se relever d'un échec. Par ailleurs, quand on est candidat malheureux au bac ou au BPC, ce qu'il faut faire, c'est déjà de revoir son niveau de détermination et de travail. En matière d'éducation, l'erreur bah, n'est pas perbis. Les correcteurs sanctionnent dur et ils sont souvent sans émotion. De toutes les façons, c'est leur travail. Donc, en ces moments de vacances, chers candidats malheureux, préparez-vous à une rentrée scolaire en mode la remontada. Oui, si vous n'êtes pas animé par un désir ardent de réussir, ce serait difficile d'en arriver, surtout quand vous êtes élève ou étudiant. Deuxième leçon pour vous, soyez sincère avec vous-même en maîtrisant toutes les matières. Le succès n'aime pas l'à peu près est ici, c'est pas lui qui va m'éprouver ah, en disant non. ah ouais, le succès n'aime pas à peu près les amis. Tout à fait. Quand on est élève, on a tendance à se dire je maîtrise telle matière, je néglige celle-là, nanani, nanana. Et voilà que le sort nous conjure et nous tombons dans son piège. Troisième et dernier conseil pour vous, si vous êtes un candidat malheureux au bac ou au BPC, cela ne fait pas de vous un expérimenté. Car je me souviens très bien des gens qui me disaient, j'ai échoué l'année passée, cette année, j'ai au moins l'avance sur les nouveaux venus. Eh bien, grosse erreur, car l'échec ne connaît pas ses anciennes victimes. Amis auditeurs et auditrices, ce sera la fin de cette chronique. Et pour conclure, je dirais tout simplement ceci. Qu'on aime l'école ou pas, dans notre monde, les diplômes permettent l'ascension sociale. Cela est ainsi maintenant et ça le sera pendant longtemps. Sauf si on change d'ascenseur social pour le moment, on n'est pas prêt pour ça. Au Niger, par exemple, sans le baccalauréat, vous ne pouvez pas prétendre à certains postes. Bah, d'ici là, portez-vous bien. Paix, lumière, amour sur vous. Et tous ceux et celles qui ont échoué cette année, beaucoup de détermination, ben, ça ne tue pas, ça ne donne que du succès. D'ici là, portez-vous bien. Je suis d'accord avec toi. Même pour être chauffeur, on te demande dans certaines institutions un bac plus 4. Ah Le concept, c'est Never Give Up, ladies and gentlemen. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Émission consacrée au post-bac, euh, n'est-ce pas, cette semaine. Alors, cherchons des perspectives des solutions, des conseils. Mais avant cela, on va permettre aux nouveaux bacheliers de s'exprimer. Ils sont trois sur cette émission et chacun va nous donner son avis. En ce qui concerne la question, elle est suivante, elle est formulée de cette façon. Aujourd'hui, avec euh, la multitude d'écoles et institutions de toutes filières au Niger, est-ce qu'on peut dire que les autorités en charge de l'enseignement supérieur et formation professionnelle vous donnent toutes les opportunités possibles de choix Sinon, qu'est-ce que vous pouvez déplorer à ce niveau et qui vous gêne ou impacte sur vos choix académiques d'après le bac Nous ne sommes pas déjà loin de IDU. Une autre école est juste derrière, c'est IBM, il y a espace. Parlons de tout ça sur cette émission. Alors, ami bachelier, c'est à vous que je m'adresse. Je commencerai par vous, monsieur. Oh, je te dis tu, en anglais. Oui. Je commencerai par toi. D'accord. Bon, en fait, lorsque eh, avant de donner la réponse à votre question. Bien sûr. Hier, j'étais parti au niveau de la conférence, au niveau de Mariama, monsieur Lamine. Mhm. nous a un peu parlé vraiment des limites, c'est-à-dire maintenant au niveau des bourses. Mais surtout pour cette année, parce qu'avec le Covid-19, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué les, bourses. Ce qui est dit, c'est que les, élèves qui ont le bac euh, avec mention, avec euh, la bourse d'excellence, eux déjà, ils peuvent avoir euh, des bourses autres là. Mhm. Quant aux élèves qui ont la mention assez bien, eux pour eux, ils attendent juste la bourse de coopération. Donc s'ils n'ont pas eu la bourse de coopération, ils vont rejoindre les élèves qui ont la mention passable. Donc c'est un peu ça, c'est difficile. Tout la bourse de coopération. Est-ce que c'est une opportunité pour vous déjà de vous retrouver parce qu'ici au Niger aussi, il y a beaucoup d'écoles qui peuvent aussi vous former à des formations en ligne et tout ce qui va avec. Vous pensez que c'est une opportunité ou bien euh, C'est une opportunité, mais hmm. nous les jeunes Nigériens, en fait, on préfère vraiment sortir du pays. On veut pas rester. voilà, c'est ça. Eh, attends, on veut seulement sortir oh, Attends, je suis d'accord avec toi. Toi, toi, tu veux sortir. <laughs> Alors, Rafia, mais toi, c'est quoi ton truc est-ce que tu as des problèmes Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose d'avoir déjà tout à côté Ou bien toi, s'il te faut, vaille que y sortir Même moi, je vais sortir. Ah ouais, tu veux sortir. Ah, vous voulez juste aller découvrir un autre monde ou bien aller étudier C'est pas pour... C'est pour découvrir. C'est quoi le truc C'est pour étudier. Vous pensez que c'est pas du tout, c'est pas sûr ce qu'ils font ici pour prétendre non, on n'a pas dit que c'est pas sûr. Oui, mais vous préférez Il y, a beaucoup d'instituts ici, c'est vrai. Oui. Mais... on trouve la même chose. Quand vous partez ici au Maroc, c'est les mêmes instituts, non il y a des écoles, on dit université de Tunisie, et vous partez en Tunisie étudier quelle université université juste à côté. Vous voulez sortir, vaille que vaille. Et monsieur en noir, euh, comment est-ce qu'on vous appelle déjà Absalam. Abdeslam. Vous voulez aussi sortir Oui, bien sûr. Mais tout le monde veut sortir finalement. Il n'y a personne qui veut rester. Ah ne ris pas, toi, tu es le président de l'association des Nigériens vivant au Maroc. Tu es déjà sorti. Grissa, il a étudié en France, il va aussi aux États-Unis étudier. Donc finalement, tout le monde sort. Il n'y a personne qui reste. Toi, tu veux sortir aussi euh, moi, je suis déjà sorti. <laughs> Ah, il dit qu'il est déjà sorti. Ladies and gentlemen, nous sommes donc à la fin de l'émission consacrée à la jeunesse nigérienne. On va donc permettre à Idrissa, l'instant est solennel, de placer quelques conseils pour réussir son post-bac. C'est important parce que tu es le concepteur de l'application KPB. Tu as beaucoup aidé les élèves. C'est pour cette raison que nous t'avons sollicité sur cette émission. Tu es un jeune Nigérien qui, quand même, aussi a évolué au Maroc, euh, euh, à Toulouse et, bientôt aux États-Unis. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir son poste bac Idrissa. L'instant est solennel, une minute de temps d'antenne. Alors, merci Dandy. Du coup, euh, moi mes conseils pour réussir son poste bac, c'est euh, être curieux des choses qui, nous entourent et euh, être très ouvert aussi. J'aurais trois conseils. Donc euh, déjà, la curiosité va vous permettre d'aller au-delà de ceux qui vous entourent à côté de vous, c'est-à-dire de vous dépasser et de découvrir beaucoup d'opportunités et ne pas vous contenter de juste ce que vous avez devant votre nez. Et ensuite, euh, être ouvert parce que j'ai entendu beaucoup dire qu'ils veulent aller à l'international, qu'ils veulent aller étudier ailleurs. L'ouverture vous apportera aussi la connaissance d'une part de l'autre et la réussite aussi parce que les autres qui ont réussi, si vous vous ouvrez à eux, vous, vous allez être capable de comprendre comment est-ce qu'ils ont fait pour réussir. Et la troisième chose que je dirais aux jeunes, c'est surtout de savoir que l'échec, c'est quelque chose qui fait partie du vécu. C'est quelque chose, c'est un tremplin, c'est pas une fin en soi. Parce qu'aujourd'hui, euh, ce qu'on dit à tous les jeunes qui passent le bac en classe de terminale, vas-y, le bac, c'est celui qu'il te faut pour entrer dans le niveau social le plus haut de la société. Mais ce qu'on leur dit pas, c'est que derrière le bac, il y a beaucoup de choses. Et c'est souvent des choses très compliquées parce que c'est souvent après le bac que même en famille, dans notre culture, qu'on te responsabilise. Et qui dit responsabilisation dit les réalités du monde, c'est-à-dire beaucoup d'échecs. Et les échecs, comme je l'ai dit, c'est pas une finalité. Et je fais un clin d'œil aussi à la chronique qui est passée parce que du coup. Fait une <laughs> spéciale. Merci Drissa. voilà. Après le post-bac, c'est aussi une nouvelle vie. Souhaitons donc bonne chance aux futurs bacheliers et bonne chance aussi à ceux qui sont déjà admis. La vie, c'est un combat, comme on le dit, un éternel combat. Il faut savoir contrer les coups, quel que soit leur provenance pour ceux qui n'ont pas reçu cette année, nous sommes de cœur avec vous. Pour ceux qui ont reçu, ben, félicitations et bravo. Ainsi parle la machine et en même temps, je dirais finish. Et...